on ne peut pas faire une émission sport. Mhm. actuellement le football toll ci Sénégal sans autant donner un message à la jeunesse par rapport à Sadio Mane. je pense que c'est un exemple Au Sénégal mais en Afrique tu parlais beaucoup de choses sur Sadio Mané dit nga le ko Ligue des champions nous avons jël le championnat parmi les trois meilleurs joueurs du monde un mhm. message à la jeunesse c'est la plus grosse fierté que le Sénégal ait eue. Après Bokande. Parce que quand je parle de ces joueurs-là, avec Bokandé, avec Omar Gaysen, euh, avec Ablaï Gay, avec Suleiman Kamaro Gauche, avec Boubacar Sarlokot, c'est parce que c'était difficile. Nous avons une période de difficile. Nous, il fallait qu'ils s'imposent devant beaucoup d'étrangers parce que trois étrangers l'équipe équipe daan am ñaar yi titulaire wala ñoy tok ci bi kenn ki du alors ces Sénégalais qui se sont imposés en Europe Nous lañu wara jëk remercier parce que ñom ñoo porter haut le drapeau sénégalais. c'est important. devant des Brésiliens devant des Anglais devant des des Tunisiens devant des Algériens devant des Yougoslaves yow sénégalais bi nga titulaire titulaire ba que brassard que si Camara Boubacar Sarr équipe ça veut dire que nous sommes des modèles. parce que dans mon état, nous avons des si trois étrangers par équipe les africains yu

am sa am hygiène de vie. Mm-hmm. ba paré fonk deukam. xam nga man nit ki bo fonké c'est ñi nga daan àndal demb rek parce que reconnaissance. le mot reconnaissance c'est important. xam nga Yalla mënuloo ko dara lu dul nga wan ko reconnaissance moo bind. je reconnais que c'est Dieu qui m'a créé. alors reconnaissance boobu Sadio Mané am moko ko hissé vers le haut ba pare nag mu xam boppam xam ni dafa dem feulé pour relever un défi te défi bobu daf ko relever Sadio bi mu jël ballon d'or africain dafa yag parce que Sadio fu mu dem daf ko perturber depuis ça le début de sa carrière fi ba ni ñuy en Europe fu mu dem woné na fa boppam te sigil na Sénégal donc la jeunesse sénégalaise. Mm-hmm. ce que je vous dis. Mm-hmm. Si vous voulez être comme un sage Mané, il faudra que vous soyez comme lui. C'est un exemple.